Boubacar supporte l'équipe de l'Allemagne pour sa performance et ne rate aucun des matchs. Il est confiant pour la victoire de cette équipe. Oui, je supporte l'Allemagne parce que c'est une équipe expérimentée. C'est une équipe qui est capable de tout dans le football. C'est pourquoi j'adore bien l'équipe là. Je ne rate jamais l'Allemagne. Même si je suis occupé, si je suis en santé seulement, je dois suivre le match d'Allemagne. Vous croyez que l'Allemagne peut remporter la Coupe euh, d'Europe cette année Bon, je suis sûr. Plusieurs centaines de joueurs africains ou d'origine d'Afrique évoluent dans les championnats européens et le public nigérien peut ainsi s'identifier à eux. Ainsi, Sanoussi Abdou soutient essentiellement des équipes qui alignent le plus de joueurs africains, ce qui est valable pour les divers championnats, l'est aussi pour l'Euro. Pour lui, l'Afrique est aussi représentée à cette édition à travers ses joueurs évoluant sur les stades de France, d'Allemagne ou d'Italie. La Pologne, et il y a leur capitaine qui joue au Bayern de Munich. Vraiment, il y a Groski. Voilà les deux joueurs vraiment qui m'ont un peu épaté et pour qui vraiment je supporte la Pologne. Bon, la Belgique, vraiment, c'est une équipe où vous avez beaucoup d'Africains. Et au nom de ce joueur, vraiment, je, soutiens vraiment la Belgique qui a un bon capitaine, qui est un bon meneur. Et Lukaku, vraiment un très bon attaquant. Partout, il y a vraiment des Africains. Nous, nous supportons cette équipe parce que nous considérons que nous sommes nous aussi représentés au championnat donc européen à travers nos joueurs naturalisés. Ce que regrettent plusieurs d'entre eux, c'est l'absence des joueurs nigériens à cette édition. La finale d'Euro 2016 aura lieu le dimanche 10 juillet à 21h à Paris. Soumana Amadou, Studio Kalangou.